Donc, euh, je me présente, euh, je suis le directeur de l'école Petit Chali. Aujourd'hui, nous sommes euh, très heureux de recevoir euh, la délégation du directeur du groupe TV hein, à la suite d'une correspondance que nous lui avons adressée pour demander un peu de soutien en gel, en cotol, en masque pour lutter un peu contre la Covid. Et nous sommes d'autant plus aussi contents. Hein, parce que quand nous faisions la correspondance, on n'attendait pas à avoir tout ça. Hein. Moi, je m'étais dit, sinon, on a quelques masques et un peu de gel. Avec nos moyens que nous avons, nous pourrons compléter le reste, le reste de l'année. Mais heureusement, vous nous avez apporté tout ça. Donc, euh, au nom de l'équipe pédagogique et au nom de la, présidente du comité de gestion, euh, nous lui disons merci. Euh, nous disons merci aussi pour la richesse, effectivement, mais surtout pour la promptitude avec laquelle il a agi pour apporter tout ça. Parce que nous lui avons adressé une correspondance, je crois que deux jours avant de prendre les fêtes du premier trimestre. Donc nous avons fait dix jours et cette semaine, c'est la semaine de la reprise. Donc aujourd'hui, c'est jeudi et vous nous apportez tout ça. Donc euh, ça montre également l'importance euh, qu'il accorde à l'école, à la santé et à la communauté également soise. Euh, donc, euh, soyez-en notre porte-parole auprès de M. Doumbouya. Et au nom effectivement de l'inspecteur aussi, nous lui disons merci. Euh, nous souhaitons également de la même façon continuer cette collaboration hein, avec M. Doumbia. Comme je l'ai dit dans la correspondance, c'est vu les actions sociales nous mène au niveau de Thiès et de Petit Cali et ses environs que nous avons pensé aussi le solliciter pour venir en aide de l'école c'est effectivement, il n'a pas tardé à, agir et à ce geste grandiose que nous saluons tous, un hein, chers collègues. Hein. parce que quand nous faisions la correspondance, on n'attendait pas à espérer avoir tout ça. Hein. Et également, nous prions pour lui, pour lui et son groupe également. Nous souhaitons tout ce qu'il entreprend, qu'il puisse réussir, et son groupe de télévision aussi, qu'il puisse euh, être parmi les top 3 ou 4 de la, du Sénégal. donc euh, euh, encore une fois, au nom de l'équipe et au nom de la communauté, certainement la présidente du comité de gestion va prendre la parole pour, pour compléter. Je vous remercie pour tous. ñi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox suñuy nuyoo di leen wax ngeen dal ak jàmm suñu mbégte bi nag am na fu mu commencé mais amul fu mu yem ñi ngi remercier waa Prestige di remercier njiitu prestige ki ci bopp bi muy Pape Doumbouya ndax lii duñ ni gulet c'est pas la première fois muy ñëw di indi ndimbalam ci école bi ndax su école daan tijji daaw daawaati jeeg ñëw na fi ànd ak ay nitam bi ñuy bay école bi mu ñëw fi participer ànd ak ñun bokk ak ñun liggéey bi ba école bi set kon du ñu wax gulet ci moom xam na ni doomu gox bi la doomu Petit Thialy la moo tax it lépp lu muy def rek ci Petit Thialy la koy njëkkee école Petit Thialy la njëkk a ñëw indi ndimbal bi mu indi ñëpp xam nañu dañoo nekk ci euh, jàngoro bi nga xam ni muy Covid bi mu nekk li nga xam ne law na law bu jéggi dayoo bu ëpp sax muy vagu 2 bi ñuy wax njaboot yëpp tiit ci kenn sa xel dalatul ku sañoon tey da ngay téye sa doom du jàng si parce que kenn xamul mën nga jóge seen kër kenn xamul looy taseel kenn xamul looy fekk ci école bi boo jógee ci école bi aussi kenn xamul looy yóbbu moo tax waajur yëpp la seen fit yi jóg du ñu def lu dul di ko sant ndimbal bi mu fi indi bëgg na xale yi jàng ñu bañ a def année blanche bëgg na xale yi ñu bañ a tëj école bi mu indi leen ndimbal ñuy raxas seen loxo yi gis nañu gel bi gis nañu masque yi na xale yi di takk masque ndax xool nañu rek li ñu mën a aar mooy raxasu bi ak takk mask kon du ñu def lu dul di leen gërëm yenn waa prestige di leen wax ci kaw ca kanam di gërëm dumb Doumbouya di ko wax lii mu mën ren yal na yàlla dimbale mu kay def ay ati at yàlla bu mu ñëwee benn moroomam xëy na na wax bi mënoon naa gën a gudd mais ku nekk xam na ni li ñu dal man sama xol neexul sax dama forcer rek taxaw pour wax mais du ñu def lu dul di leen remercier rek mënuma woon ñàkk bañ a wax mais bu du woon loolu duma ma jël sax parole

du groupe Prestige Caisse. Un grand homme, à travers ses actes, à travers ses réalisations et de son soutien envers la population thiessoise. Nous lui disons un grand merci. Nous l'avons vu, le Covid-19 touche tout le monde, sans distinction de parti politique ou de statuts social ni de religion. Ça touche tout le monde. C'est une maladie grave, comme on peut le dire, qui menace tout un chacun. Donc à respecter les mesures barrières éditées par les autorités, à savoir le lavage fréquent des mains en l'eau et au savon, ou du gel hydroalcoolique. Et le port des masques obligatoire. Ainsi, le maintien d'une distance au moins 2 mètres. C'est à cette occasion que le PDG, M. Doumbia, vous offre ses produits d'hygiène. Et du firec commune bi yep incha chacun aura sa part et nous lui disons merci pour ce geste un grand merci donc je vous salue. ñi remercier Pape Doumbia si masque yi ñu jox ak si jumtukaay yi ñu jox pour ñu raxasu suñu loxoy ak ñi takk suñu masque yi. ñëpp xam nañ ni coronavirus bi mu ngi fi du ko mën ar moy tak takk masque yi ak raxasu ñun amuñu ben amuñu. tuut moyen bu bëri lii rek moo ñu mën a aar ñu ngi remercier page Pape Doumbia mm-hmm. ñu ngi préti jëm si si kanam merci